waaw di ñaawlu trop euh, li xewoon démb euh, ñuy tàmbalee ko gis euh, li xew ci Dakar le président Ousmane Sonko mu jóge woon ci audience mu doon ñibbi ñi buntu xatal ko buntu xatal boo xamante ni gisuñu leader politique un acteur politique bi nga xamante ni mus nañ ko traité noonu dem ba toj otoom jénnee ko par force dugal ko ci beneen oto loolu population yi ñaawlu ko ñaawlu ko mais jeunesse bi ñoo na gën koo ñaawlu mu tax ba ñuy wàcc dem si tali euh, manifester loolu mais si kaw manifester boobu euh, mais force de défense yi euh, jaamarloo ak ñoom tere leen ñi manifester ba loolu mu jotoon indi ay ay jaamarloo yu métti ba ay ndaw jëlee fa ay gaañu gaañu ñaar ñaari ndaw ñoo fa jëlee ay gaañu gaañu. ay gaañu gaañ yu yu yu yu yu am solo nag kenn ki bët bi yàqu na kenn ki ci awraam pratiquement la jot am uh, ay gaañu gaañ yu métti métti métti démb si guddi lañ ko jot évacué sur uh, hôpital régional jot nañ ko opéré kenn ki ñu ngi ci kawam jamono bu ñuy wax ak yenn ni waaw bon instant bi seen état de santé bon xaw na tane uh, stable na waaye kii ñàkk bëtam ak ki nga xamante ni awraam mun naa mu ñàkk ko loolu jafe-jafe la jafe fait la la mais di naan encore une fois ni que euh, problème bi liko ko ñu ñëpp xam nañ depuis ay jamono ci ginaaw ñu ngi dund ben situation bi nga xamante ni mel ni dañoo bëgg fagagal. benn opposant bann acteur politique bi naan dafa bëgg a nekk président de la république ñi naan ko doo ko fi doon alors que gisuñu lan moo war a tax ba du ko doon euh, ci kaw loolu mu doon xeex bi nga xamante ne ñun sumb nañ ko naan dañuy protéger projet boobu projet bi nga xamante ne le président Ousmane Sonko moo ko incarné mu jaral ñu nag euh, lépp parce que euh, dund ci anam yu mel nii Sénégal fu mu toll nii xeex jëlee fi li fi nekk moo ko gën ak luñ mu munta jar. donc moi, tax euh, tamit euh, depuis bobu ñu ngi ci xeex bobu té bu soobé yalla dëgg mom rek moy muccu amna ñu ñu arrêté. waaw donc euh, amna ñi nga xamante yoon daf leen teg loxo mu doon pratiquement lu mot si ay ñaar fukk ndaw. ci lum ñu wax parce que amaguma information bu lèr mais ñaar fukki ndaw yi nga xamante ni yoon teg na leen loxo ñu jóbal leen procureur tay donc di ñaawlu franchement Euh, situation yu mel nii daanaka euh, situation bi nga xamante ne ñi ñuy yaakaaroon ni que ñoom ñoo yor suñu kaaraange war ñu aar ñoom ñoo ñu dugal jamono bi si guuta ñoom ñoo ñu noot jamono bi donc euh, gis nañu ni que Sénégal fu mu toll nii dañuy instrumentaliser mooy justice jël justice bi muy wuyoo njëriñu benn nit walla force de l'ordre ñiy wuyoo njëriñ benn nit alors que njëriñ askan wi lañ fi waroon nekkee. Euh, le maire euh, euh, ci 2021 gis nañu ay événements yu fa amoon ca Bignona toujours ba ndaw yi daal di fa làkk ay structures yu bëri bokk ci station Total loolu juróon pénurie ci essence tey ban woote nga am ci ndaw ñi même bu fekkente ne dañuy manifester ñu mën a bàyyi xel ci loolu. waaw manifester moom dafa bëri ay anam. Eh, dafa bëri ay gàllankoor tamit parce que comme ni moko waxé waxee eh, Bignona nique que chaque fois bu dara amé eh, foofu la ñuy ressentir ni que amna ay gañu gañu yu euh yu kenn mënul expliquer gisoon nañu xew-xew bi amoon Mbacké mais kenn waxuñu fa ni que amna ku fa euh ba mu toll comme biñona euh 2021 tamit askan biñona jooy nañu seen ay dom euh bi pa c'est vrai que yàqu-yàqu yi duñ ko ñaan parce que ñëpp ñi fay yor euh infrastructure yi nga xamante ay jumtuwaay yi nga xamanteni day bok ci développement dëkk bi war nañ ko mëna ar aar euh, c'est vrai que do mëna contrôler ñëpp bu manifestation amé waye waxtaan nañu ak ndaw yi ni que lool bu mu fi amaat parce que ñooñu ay doomu bi ñoo na ñoo fay liggéey ay nitu bi ñoo na may investir ci loolu donc euh, euh gisuñu njëriñ war ko yàq parce que loolu bokk na ci li défar suñu dëkk ñun tay Euh, ay kilifa lañu ñun ñoo yor dëkk bi mënuñu naan nañ ko yàq après ñëw di koy tabax parce que déjà li ñu jot am euh, nañ ko sàmm ñu uti leneen lu ñu mun a yokk waaye du naan dañ koy yàq moo tax ñuy woote manifester gaa dina am waaye nañu moytu laalu bagage yu jàmbur nañu moytu taal yëfu jàmbur euh, nañuy xeex li ñu war a xeex ñu yem ci loolu. dispositif sécuritaire bi ca Bignona tey laal. waaw c'est vrai que. homme de tenue yi nañu bi ñoo jamono bi comme euh, sa su bu xew-xew amee ci Sénégal euh, bi ñoo na bokk na ci ñi jën euh, indi force de l'ordre donc xëy position am tay nu mu mel la muy suñu leader mu cosaanoo fofu mais bi ñoo tamit mu doon dëkk bi nga xam engagé wu ci combat bi engagement bi nga xamante kenn mënu ko laam-laamee ci kaw combat bu ñuy mënee ni donc tay bu ñu amé gis-gis donnez doonul parce que yàgg nañ ko dund te dinañ ko dund mais loolu tamit euh, teewul euh, ñun ñu ngi euh, naka pour bañ parce que Notel noo ko dagan parce que xeex la pour askan wi xeex la donc tey fu quel que soit dispositif bu ñu mettre en place bi tamit taxaw na pour bañ Notel boobu. merci beaucoup hier après un mauvais traitement qu'a subi euh, le président Ousmane Sonko à sa sortie euh, de l'audience. Euh, une situation que rien ne pourrait expliquer. Quelqu'un qui sort du tribunal pour rentrer chez lui, il a été malmené. Donc c'est devant cette situation que les jeunes de Bignona ont réagi. Ils ont réagi suite à l'énervement par rapport à cette situation que le leader a vécue. Donc, ce qui est très normal parce que euh, nous avons tous suivi euh, le processus depuis le début jusqu'à nos jours. Euh, tout le monde sait de quoi il est question vraiment et qu'il y a vraiment une tentative de liquidation d'un adversaire politique. Et devant cette, ce souhait ou bien ce désir du régime en place, le peuple a tout le temps démontré son engagement à protéger euh, ce leader. Et ça s'est démontré hier à travers la manifestation des jeunes euh, de Bignona qui sont sortis massivement, euh, le ras-le-bol et ont eu euh, donc la réaction des forces de l'ordre avec qui il y a eu des échauffourées, qui a valu même euh, l'enregistrement de deux blessures graves au niveau des jeunes. Le, bilan, c'est deux blessés. Donc il y, a, deux blessés graves qu'il faut remarquer, mais également il y a une vingtaine d'arrestations, on nous a notifié, donc, euh, qui sont actuellement déférées au niveau du parquet. Euh, mais pour dire encore une fois que c'est de la provocation, c'est de l'intimidation, et on s'est engagé à protéger un projet, le projet qu'incarne euh, euh, le président Ousmane Sonko. Et rien ne nous fera reculer devant cet engagement. Et ce n'est pas la répression aujourd'hui qu'on a vécue à Bignona qui va faire que, euh, les, que la situation qu'ils veulent mettre en place puisse passer. le complot, euh, la tentative de liquidation ne pourra pas passer aujourd'hui parce que le peuple est engagé à protéger le projet, à protéger le président Ousmane Sonko. Sont les blessés Les blessés sont évacués au niveau de l'hôpital régional. Ils ont subi, l'un d'eux a subi une intervention chirurgicale euh, toute la nuit pratiquement. Ce matin, on nous a notifié qu'il est écarté de tout danger. Il a bel et bien suivi son, intervention et maintenant il continue à avoir ses soins. Et l'autre est en train d'être... Euh, traité en ce moment parce qu'il a déjà perdu l'œil. Donc euh, c'est dans ce traitement qu'il est en train d'être pris en charge par rapport aux, structures sanitaires au niveau de euh, de l'hôpital de la paix de Alors Aujourd'hui, quelle est la situation à Bignona, le dispositif sécuritaire pour euh, pallier à ce genre d'événements Bien, c'est vrai que les forces de défense et de sécurité sont, ont, ont, toute la ville. Euh, ce n'est pas une nouveauté pour Bignona. De tous les moments, de tous les temps, depuis euh, l'avènement du président Ousmane Sonko, à chaque fois qu'il y a des événements, euh, Bignona est bien servi en, force de l'ordre. Donc aujourd'hui, ça ne nous est pas étranger de constater ce fait et que nous sommes aussi engagés, déterminés que, jamais, que jamais à faire face à cette oppression parce qu'aujourd'hui, il ne rien il ne sert à rien de vivre des situations pareilles et de pouvoir accepter qu'on continue à nous malmener. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est vrai qu'il y a un dispositif, un dispositif qui est là pour maintenir l'ordre, mais c'est pratiquement ce dispositif qui sème le désordre. Donc à travers le Sénégal, à travers les réactions hier euh, des policiers, de la police euh, au niveau de Dakar, c'est pratiquement ce dispositif sécuritaire qui devait prendre en charge notre sécurité qui nous met en insécurité. Donc, euh, et pour plusieurs euh, exemples, déjà au sortir de chez lui, le président Ousmane Sonko a vu des forces intégrer son dispositif sécuritaire sans pour autant son, sans son consentement. Donc c'est déjà une, euh, des faiseurs de troubles. Donc aujourd'hui nous considérons que ceux qui devaient nous protéger, qui devaient assurer notre sécurité, c'est eux-mêmes qui, qui, font entrave à notre sécurité. Donc c'est pour cette raison que c'est déplorable, on, le déplore, mais également qu'on est déterminé à faire face à cette injustice. Euh, par rapport euh, aux événements, en mars 2021, euh, des jeunes étaient sortis, ils ont saccagé plusieurs institutions. Euh, dans la station totale, et ce qui a créé une pénurie d'essence à, Bignona. Euh, par rapport à ça, euh, on appelle à l'endroit des jeunes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts collatéraux au mois de mars 2021, et ce qui était très déplorable de tous les côtés. nous avons fustigé le comportement de, de certains manifestants ben, ce sont les, conséquences euh, de, donc, toute manifestation. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel à la population, à la jeunesse, euh, d'être euh, plus raisonnable par rapport aux, manifestations. Oui, on peut manifester sans pour autant détruire ce que nous avons comme acquis. oui, il y a, des structures qui emploient déjà des jeunes de Bignona, des structures qui participent au développement de la commune, il est hors de question que l'on détruise ces structures-là. Il faudrait se battre, mais tout en, sachant raison garder et puis essayer de préserver donc euh, tout ce qui que, nous avons en commun, les biens publics, mais également les structures privées qui, sont, euh, qui concourent au développement de la collectivité.